La convention de concession des magasins sous douane de Niamey et d'Osso au groupe Poloré Africa Logistique Niger à travers Niger Terminal a fait beaucoup de mécontents dans le secteur des transports, du commerce et du transit. Réaction cette semaine de l'État représenté par la Direction générale des douanes à travers un point de presse qu'il a animé. Le directeur général de la douane Issa Kassoumana a expliqué entre autres avantages que cela constitue pour le Niger. Les véritables enjeux de la mise en œuvre des conventions de concession de la gestion des magasins sous douane. Le concessionnaire est tenu de renforcer et moderniser les équipements. Cette mise en concession des magasins sous douane permettra à la douane de disposer d'informations plus fiables pour les besoins du contrôle. Ensuite, l'assiette des droits et taxes sera élargie, d'où plus de recettes pour l'État. En fin d'année, le bénéfice sera réparti de la manière suivante. 20% pour la constitution d'un fonds d'entretien et de renforcement des équipements, 10% au fonds d'équipement de la direction générale des douanes, 20% au trésor public et 50 4% à la Chambre de commerce. Et sur le plan sécuritaire, l'on apprend que l'offensive engagée par le secteur 4 de la force mixte multinationale contre les positions du groupe Boko Haram en territoire nigérien permet de nettoyer d'outils côté du Niger et de conquérir puis d'occuper Damasak au Nigeria. Cependant, l'état d'urgence qui prévaut depuis le 28 avril dernier dans la région de Difa vient une fois encore d'être prolongé de trois mois, allant du 28 juillet 2016 au 25 octobre 2016 inclus. Décision prise en Conseil des ministres cette semaine. Et puis lancement lundi passé du Centre national d'études stratégiques stratégique et de sécurité CNES au Palais des Congrès de Niamey à l'occasion d'un colloque inaugural consacré au thème Regard croisés sur les enjeux d'une prospective pour le Niger. Oumoudou Mamadou, président du Conseil d'orientation du CNES. Notre ambition est de mobiliser l'intelligence nationale, militaire et civile, pour produire des connaissances sur les enjeux contemporains de notre pays. À cet égard, le CNES devra nous permettre d'aboutir, entre autres, à l'élaboration d'une politique nationale de défense qui a pour objet d'assurer l'intégration l'intégrité du territoire et la protection des intérêts stratégiques et vitaux de notre population. Autre fait qui a défrayé la chronique cette semaine, c'est cette affaire de Panama Papers dans laquelle est cité Mohamed Rissa Ali RIMBO patron de la société Rimbo Transport Voyageur. Un article publié sur le site du Centre africain du journalisme d'investigation en Syrie, réalisé en coordination avec le Consortium international de journalistes d'investigation, affirme que Mohamed Rissa Ali a créé en 2008 par l'entremise de la firme panaméenne Mossack Fonseca une société offshore aux Seychelles et ouvert un compte bancaire. Les informations de cet article s'appuient sur les fameux Panama Papers, ces documents confidentiels issus du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca et qui contiennent des informations sur plus de 200 société offshore.